de la FADA, bonsoir. Ce soir, Studio Kalangu installe sa tente au siège de l'USN, l'Union des scolaires nigériens. Actualité oblige, un nouveau comité vient de prendre les rênes de l'USN, la plus ancienne et sûrement la plus grande institution scolaire au Niger. L'USN compte plus de 80 sections à travers le pays. Des grandes icônes du mouvement syndical nigérien s'y sont succédées. Bémol, à chaque fin, deux mandats des crises et des tensions surviennent pendant le processus électoral et lors de la mise en place du nouveau comité élu. Voilà pourquoi le sujet de notre FADA d'aujourd'hui concerne les crises en fin de mandat des comités directeurs de l'USN. Et comme dans nos FADA habituels, nous allons passer au peigne fin les causes des crises et conflits habituels. Pour en parler ce soir, nous recevons Anas Gibril. Il est ancien cadre de l'USN, ancien dirigeant du comité directeur. Bonsoir Anas, bienvenue dans notre FADA. Merci bien. Notre deuxième invité, c'est Souley Talata. Lui, c'est l'actuel secrétaire chargé à la presse de l'USN, membre du comité élu il y a tout juste quelques jours. Bonsoir et bienvenue à vous dans notre fada. Nous recevons aussi Omar Moussa Rabiou, il est étudiant en sociologie à l'Université Abdoumoun de Niamey. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Fanta. À la technique, c'est Abdulkader Kader Chambiano et moi-même Fanta Chamsou à la présentation. masauraran mu ya a cikin fadar tamu da ta da zango a nan tsakar filin siyashkin esen za mu tattauna ne akan rikice-rikicen da ke tasowa a kusan ko da yaushe idan aka shiga zaben sabbin mambobin komite director na ita wannan kungiyar kwadagon ɗalibai wannan karon wato bana har ma ya kai ga rushewar sai dai guda biyu waɗanda ke ikirarin suke wakiltar ita wannan kungiyar Ce n'est ça ça qu'on sait, sabon Zabi. Et pendant la préparation de cette fada, nos interlocuteurs nous ont énuméré diverses causes des crises récurrentes de la succession des comités USN. Parmi ces causes, il y a le non-respect du calendrier électoral, des divergences idéologiques et aussi des manipulations des acteurs politiques. Dans la première partie de notre émission, je vous propose d'abord le dépassement des mandats. Je commence par vous, Anas Jibril. Anas, vous êtes euh, ancien cadre de l'USN. Précisez-nous d'abord la durée des mandats à l'USN. Eh, merci bien, Fanta. Eh, merci pour le studio Kalangou pour cette opportunité. Merci à vous de vous eh, être déplacé. Au fait, à l'USN, le mandat était d'un an. C'est-à-dire qu'il y a trois instances à l'ISN. Il y a le Conseil général. Chaque un an, on les convoque et le Congrès à chaque deux ans. Et c'est au Congrès on renouvelle le bureau du comité directeur de l'ISN où c'est chaque un an tous les comités directeurs pratiquement qui se sont succédés étaient confrontés à ce dépassement de mandat. Quand vous êtes confronté à des difficultés dans une gestion, il faut aller au fond pour connaître les fondements et il faut dans la perspective solutionner. Ce qui fait qu'au dernier congrès de Myria en 2015, il y a eu le même problème. Quand nous avons constaté cela, nous nous sommes dit qu'un an se il fallait maintenant réfléchir sur la durée du mandat. On a ramené ça de un an à deux ans désormais, qu'il est donné une marche au comité directeur, si éventuellement il arrive à finir ces deux années et qu'il n'arrive pas à tenir le congrès, une marche de minimum de 30 jours et donné et maximum 60 jours pour convoquer un congrès. Et euh, à votre niveau, comment est-ce que vous avez géré pendant votre mandat à vous le souci, c'est que c'est quoi Le plus souvent, c'est la tendance de soutenir un candidat par un comité directeur sortant. Vous avez votre candidat, il faut chercher à convaincre les sections pour qu'elles élisent ton candidat. Pas que tu puisses penser à modifier les résultats des urnes. Moi, j'avais mon candidat. Je me suis battu pour mon candidat. Mais il a échoué simplement parce qu'il n'avait pas l'aval des sections. Mais si éventuellement je m'étais inscrit dans la logique de dire que coûte que coûte, il faut imposer mon candidat en modifiant la volonté des sections, la conséquence, c'est les crises. Et c'est ça à quoi on assiste ces dernières années. Et euh, je veux me tourner cette fois-ci vers Omar Moussa Vous êtes étudiant à l'université Moumouni de Niamey et vous avez constaté les tensions de cette année 2024. Selon vous, en quoi le dépassement de la durée du mandat accentue les crises Ces derniers temps, lorsqu'il y a eu la crise à l'USN, à l'université, pratiquement nous, nous avions déjà eh, cette euh, peur de pouvoir en réalité faire face à une crise académique. Mais Dieu merci, ça a été sauvé quelque part parce que ça n'a pas justement touché la question académique. Et mhm. si vous avez constaté, les étudiants étaient les premiers à réagir par rapport au dépassement de mandat. Ils ont prévu les crises qui peuvent surgir au sein de l'organisation. Mhm. Si vous regardez un peu partout sur les statuts, sur les réseaux sociaux, des pages Facebook de certains étudiants, ils ont beaucoup fustigé, ils ont, ils ont beaucoup dénoncé ce dépassement de mandat qui peut en réalité impacter sur leur vie académique et au-delà même sur leur vie sociale. Mhm. Merci beaucoup Rabiou. Euh, Talata, vous êtes l'actuel secrétaire chargé à la presse du comité 2024 de l'USN. Alors comment avez-vous ressenti le dépassement de la durée du mandat de la course au comité de l'USN Merci beaucoup. Les sentiments que nous, euh, nous avions sentis lorsque euh, le comité directeur était censé convoquer l'instance suprême de l'organisation pour renouveler la structure, c'était un sentiment d'angoisse, euh, nous étions dans des difficultés à pouvoir euh, nous focaliser sur les objectifs même de notre ambition. C'était extrêmement difficile, je vous dis, jusqu'à ce que la situation avait pris une tournure rocambolesque que vous avez tous suivi. ça n'honorait pas vraiment euh, l'image de cette grande organisation et que tous les scolaires nigériens espérons que ce genre de scénario ne puisse plus se produire. Mais Anas, comment vous, vous pensez qu'on peut prévenir la tentation du dépassement de la durée de mandat Le gros problème, c'est quoi C'est que l'ISN n'est pas une organisation qui est autonome du point de vue financier. Tous les congrès que l'ISN a organiser sont financés par l'État. 14, 15 millions hein, ou 16 millions que l'État débloque pour la convocation d'un congrès. Est-ce qu'un État a le temps chaque année pour investir 15 millions alors qu'il y a d'autres besoins Maintenant, il faut revoir le nombre de participants au congrès. Les textes ont prévu 5 participants par section. Il faut ramener ça à 2. Ça réduit le coût. Deuxièmement, il y a les sections universelles aussi qui causent un problème sérieux. Quand on dit que c'est 2 participants ou 5 participants, vous avez les universités qui remplissent 2-3 bis. En raison de 70 participants par bis, ça fait combien À peu près 100 et quelques pour une seule section universelle. Donc pour un congrès qui doit réunir 200 personnes, vous allez vous retrouver avec 600 ou 800 personnes qu'il faut prendre en charge il faut encore que le nouveau CD qui a été mis en place, dès sa prestation de serment, pensez à ouvrir un compte bancaire dans lequel il faut enlever un pourcentage dans la, cotisation syndicale. Mhm. Donc vous allez voir que l'organisation elle-même est en train de s'inscrire dans une logique de préparer son congrès depuis la prestation du mandat du nouveau comité directeur. Il essaye de mobiliser les ressources pour pouvoir attendre l'arrivée du prochain congrès. Éventuellement, il pourra faire face à des petites crises. Et mm-hmm. est parce que vous êtes d'accord avec ce qu'Anas vient de dire eh, Je suis d'accord, euh, mais euh, pas totalement, pour la simple et bonne raison que cette organisation, ce qui fait sa force, c'est surtout la contradiction. Et lorsque l'Union des scolaires nigériens s'oriente vers l'organisation de sa plus grande instance, je pense que il est primordial à ce qu'on permette suffisamment de scolaires de pouvoir participer pour animer les débats. Parce que tous les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que justement, au niveau de l'instance suprême, le débat est catégoriquement enlevé. Il n'y a plus aucun débat au Congrès. Or, dans le TDR même, que la structure pose au niveau des autorités pour le financement, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues, telles que les conférences et débats, les débats à cercle restreint, tout, tout, mais on ne les fait pas. Donc, je pense que pour solutionner le problème du dépassement des mandats, il faut aller à la source. Lorsque quelqu'un prétend être premier responsable de cette structure, il a, il a son ambition, sa motivation. Or, au Congrès, on constate que les candidats n'ont même pas suffisamment de temps. Mais imaginez quelqu'un qui prétend être secrétaire général du comité docteur de l'ESN, qu'on lui donne deux minutes pour se présenter, présenter son crisis académique, son crisis syndicale, ainsi que sa motivation pour pouvoir briguer un mandat de deux ans. Voyez-vous, l'autre aspect, dans la plupart des temps, les délégués sont absents du débat. Même au Congrès, il n'y a aucun délégué dans la salle. Alors, est-ce que vous vous garantissez de ne pas dépasser les mandats Vous savez, euh, la motivation sur laquelle nous, nous avons convaincu les sections à faire confiance en nous, c'est effectivement limité ces dégâts-là. Inch'Allah, nous avons été consacrés du 27 au 28 janvier 2024. On a deux ans. Donc, ce qui voudrait dire que avant 27-28, on va convoquer, Inch'Allah, le 15e congrès statutaire de l'ESN. Eh bien, on a les yeux rivés sur vous. <laughs> Sur ce, on fait une petite pause. ‘Yan uwa matasa masu sauraron shirin hada fada. Sanin kuna cikin wannan shirin mukan baiwa ‘yan matan studio Kalangu fili inda suke kawo ƙarin haske akan ababe da dama musamman akan lamuran da suka shafi mata a cikin wannan filin nasu mai lakani da La Rubrique Rose. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Encore heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la rubrique rose. Je suis Samira Rafi et aujourd'hui je suis avec euh, Mariam Ibrahim AD pour euh, parler de cuisine. Dans l'espace euh, cuisine avec moi, Mira, nous allons parler de la banane plantain ou aloco pour les habitués. C'est un fruit qui nous vient des pays côtiers frais, mais actuellement, en ce début de fraîcheur de décembre, c'est sa saison et elles nous viennent abondamment sur les marchés de la capitale Niamey. Nous allons parler de cette espèce de banane et des différentes façons de la cuisiner. Top, c'est parti. Ce samedi, nous allons parler de ce fruit et demain de son utilisation en cuisine. Déjà, la banane plantain est une espèce hybride de plantes de la famille des Musaceae comme la banane dessert. Elle est un sous-groupe de l'espèce euh, Musa paradisiaca, issue du croisement entre le Musa acuminata et le Musa balbisiana. La banane plantain est simplement appelée euh, plantain en Afrique. Ce fruit consommé comme euh, un féculent prend encore divers noms selon les lieux géographiques. Cette banane est plus riche en amidon que celle habituellement consommée en dessert. Elle est couramment consommée dans la grande partie de l'Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et dans certains pays d'Amérique du Sud. La banane plantain possède des caractéristiques d'avoir une chair plus ferme que la banane dessert. En Afrique et dans les îles de Tenerife, on parlait autrefois de plantain pour désigner le bananier et le fruit continue de s'appeler plantano en espagnol. Par rapport à la banane dessert, la banane plantain est généralement plus grosse et plus longue. Sa chair est parfois légèrement rosée et un peu plus euh, pauvre en sucre ce qui la rend plus ferme, lui conférant une bonne tenue à la cuisson. En Afrique subsaharienne, la banane plantain est de plus en plus consommée en maturité, bouillie, grillée ou frite. Cuisinée avant complète maturité, elle est à ce stade plus ferme et moins sucrée avec une texture assez proche des tubercules farineux. C'est tout pour la partie cuisine sur la connaissance de la banane plantain ce samedi. Demain, nous allons parler des différents types de façons de la cuisiner. Sam, on continue toujours en cuisine. Cette fois-ci, on va parler de la recette de jus de citrouille. Les citrouilles sont des plantes riches en vitamine C et vitamine A. Elles sont donc très efficaces pour lutter contre la constipation et contribuent ainsi à protéger votre vie. Pour vous aider à savoir plus utiliser ces citrouilles qui sont pas quittiles que dans le repas, vous pouvez en faire aussi de jus naturel. Dans ce cadre, nous avons échangé avec Roquette Soleil du centre ABC des maladies qui nous donne la recette du jus de citrouille. mai ja mai kyau mai zaƙi yana ma iya ɗanɗana ta in ya sayi ya samu carrot ɗin shi sannan ya samu lemu orange da citron sannan zai iya samun sucre vanille ɗin shi da ɗan aromatic ɗin shi vanilla zai yanke kabewa shi ƙanana ne sannan ya sa ta cikin blender ya markaɗa ta da carrot ɗin shi ya markaɗa su ya tace su ya zuba sauran kayayyaki shi kenan ya haɗa lemun shi ya sa shi cikin firigo sanyi kaɗai ake bukata gaskiya yana da amfani da yawa saboda abubuwa ne wanda masu ƙara lahiya ga jikin mutum surtu masu ciki ana son suna yawan amfani da ju na kabewa ba matsala yara da manya duka suna sha saboda yana ƙara kuzari cikin jikin mutum ba ma ya cutar da mutum ne saboda ba a sa wani fudur ba ba sa mishi wani abu ba kawai dai kayan mu ne na gargajiya muka aiki da su. C'est tout pour la rubrique rose de ce samedi on se dit demain pour un autre nouveau plat. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my armor on, I'll show you that. c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada indéo en un filin USN wanda yake babban birnin Yamai muke ci da tattaunawa akan mu na deuxième partie de notre fada nous y abordons les différences idéologiques qui créent des tensions entre les partisans la première question sera à Anas Jibril, il est ancien cadre de l'USN comme vous venez de l'entendre. Est-ce que les différences d'idéologie entre les candidats peuvent justifier ces crises et tensions lors du processus électoral Au fait, à l'USN, il n'y a qu'une seule, une seule et unique idéologie. En principe. Il n'y a pas de. La seule et unique idéologie est membre de l'ISN, tout scolaire nigérien. Ce n'est pas la latitude qu'on donne aux personnes de créer des partis politiques en ayant leur idéologie personnelle. Mm. Et l'ISN est d'inspiration marxiste-léniniste. Celui qui va au-delà, il sort du cadre de l'ISN. Et tout celui qui veut diriger l'ISN doit être d'inspiration marxiste-léniniste. Si ça ne te convient pas, tu as quand même la latitude de ne pas t'intéresser à l'ISN. Mhm. SCP, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'Anas vient de dire Oui, je suis euh, totalement d'accord. Anas a donné le principe, mais est-ce que c'est la réalité Quand vous prenez aujourd'hui ce qui, ce qui s'observe dans, le, dans la sphère syndicale et à tous les niveaux, et ce qui est inquiétant, surtout, je vais m'intéresser au niveau des universités. Parce qu'on estime que celui qui est à l'université, il aura acquis un minimum d'expérience syndicale qui ne lui permettait pas de faire des bavures. Mais aujourd'hui, c'est même à l'université qu'on fait la promotion de ces, je ne, je ne dirais pas idéologie, moi je dirais la promotion du clanisme. Or, le clanisme, le régionalisme, ce sont des choses qui sont combattues par les textes fondamentaux de notre organisation. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est cet esprit-là de clan qui est développé et qu'on donne un certain habillement de l'idéologie. Certains estiment que, voilà, moi je suis de telle idéologie, alors qu'en réalité, il est dans un clan. À l'université Abdoun de je vais prendre ces cas-là précis, pendant les élections, vous allez voir des, camarades avec, avec des tissus colorés. Celui-là, il a un tissu coloré en vert, celui-là en rouge, celui-là en blanc, celui-là. Les couleurs expliquent l'esprit clanique. Et ils estiment que non, c'est l'idéologie. Ils appellent ça révolution verte, révolution rouge, révolution blanche. Donc, on est en train d'assister à une sorte de transformation de l'ESN en des partis politiques. Et voyez-vous le danger Mais on est d'accord donc qu'il y a vraiment divergence là. La divergence à l'ESN, elle est garantie, elle est permise. Mais c'est une divergence qui doit être une divergence dans l'aspect de d'analyse pour pouvoir parce que c'est la diversité d'analyse qui peut permettre toujours de sortir la meilleure perspective par rapport à un problème qui se pose. Mais c'est cette diversité d'analyse aujourd'hui qui est transformée en diversité individuelle. C'est-à-dire, dès que tu rentres à l'université, tu n'as même pas, on n'a même pas besoin de te parler, on n'a pas besoin de te mobiliser, tu vas sentir que telle partie, elle appartient à tel clan, telle partie, elle appartient à tel clan. Et c'est ça souvent qui conduit on à... arrivera à l'instrumentalisation politique. Mais pour l'instant, on continue avec euh, Omar Rabiou. Rabiou, quel impact ces divergences et ces conflits portent sur la vie estudiantine Alors moi, euh, justement parce que à l'université de Niamey, chaque année, on assiste à la naissance d'une nouvelle idéologie colorée. Et tout cela a pris naissance du fait que aujourd'hui, quand vous prenez l'USN de manière générale, n'a qu'une seule couleur, c'est la couleur rouge qui symbolise quelque chose de très important au sein de l'organisation. Aujourd'hui, une logique à l'Université Abdoumoun de Niamey a, a, pris cette initiative de pérenniser cette couleur en vue de faire la promotion de l'idéologie marxiste léniste Une autre logique a vu elle voit que quelque part elle est biaisée. Donc elle a une autre logique propre à elle. Pourquoi elle aussi n'est pas créée une autre couleur qui est propre à sa révolution Donc vous voyez, c'est contradictoire. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a un problème de formation syndicale. Aujourd'hui, si les gens, si les camarades connaissent exactement les textes, s'ils connaissent exactement toutes ces idéologies-là par cœur, moi je pense qu'on n'assistera pas à la fragmentation de l'organisation à travers des couleurs qui se voient par-ci, par-là. Et, tout ça, quelle est la conséquence de tout ceci sur la vie de l'étudiant La conséquence, nous, nous les voyons, nous les vivons toujours. Aujourd'hui, il y a un comité exécutif qui est à l'université du monde de Niamey. Et je vous assure, certaines logiques qui ne sont qui n'ont pas été consacrées, moi je dis que quelque part elles se sentent pas liées à la gestion. Alors que après une séance électorale, lorsqu'il y a un comité exécutif qui est consacré, quelle que soit ton appartenance idéologique, il faudra que la personne fait abstraction de ça pour accompagner le comité parce que ça y va de l'intérêt de l'université de manière générale. Et l'une des conséquences, autant pour moi, c'est d'abord le clanisme. Le camarade SCP l'a soulevé. C'est aussi la, le régionalisme l'ethnocentrisme aujourd'hui qui se développe de plus en plus au sein de notre organisation. Moi, je dis que la diversité culturelle qui existe ici à l'université, ethnique autant pour moi, qui existe à l'université, doit nous amener à nous comprendre et à être ensemble. Merci beaucoup beaucoup, Rabiou. Merci beaucoup. Ma question suivante, vous l'avez déjà effleurée et je la pose à Anas. Comment transformer ces divergences, divergences pardon, idéologiques en une diversité d'idées bénéfique pour une cohabitation pacifique dans les écoles et les universités. Euh, merci bien. Je ne sais pas si vous me donnez d'ouvrir une petite parenthèse mhm. sur les couleurs en fait. Le problème qui se pose, c'est que les gens ont un problème de maîtrise. La couleur rouge, comme ils l'ont dit, c'est le symbole du sang des martyrs. C'est ça la couleur rouge. Et nous sommes d'expiration marxiste, c'est le signe de la révolution. Maintenant, les autres couleurs, c'est que les gens ne comprennent pas, au-delà de ces, du marxisme, il y a, les couleurs, il y a les couleurs de l'Afrique, où il y a le noir, il y a rouge, il y a vert. Il y a les couleurs du panafricanisme, où maintenant, tu vas trouver le rouge, le vert et le noir. Donc voilà là où les gens ne comprennent pas. C'est ces parenthèses-là que je voulais ouvrir. Au fait, et pour répondre à votre question, mm-hmm. pour que nous puissions concilier les idées pour que les divergences d'idées se transforment en une opportunité et non en une adversité, c'est que il faudrait d'abord que tous les dirigeants des scolaires comprennent leur mission. Qu'au fait, les gens sont en train de penser qu'ils ont un mandat présidentiel où ils sont à la destinée d'une nation. Non, c'est un endroit passager. Tu te formes, mets-toi à l'idée que la priorité pour toi, ce n'est pas les syndicats, c'est l'académique. Deuxièmement, c'est que le syndicat vient en deuxième position où tu apprends à comment diriger les humains, où tu apprends à comment marquer l'histoire de l'encre indélébile pour que ton passé puisse être un passé reluisant. Donc si le dirigeant va dans ce sens, à comprendre qu'il doit faire en sorte que les scolaires le respectent, il doit aller dans le sens de savoir comment gérer les ressources humaines et comment aussi gérer sa passion, sa tension en tant qu'être humain. Donc quand ils comprendront que ce n'est pas de l'agissement. Tu ne peux pas être un être humain ordinaire quand tu diriges, tu dois être extraordinaire. Mhm. S'ils comprennent ça, ce serait intéressant. Merci beaucoup. Anna Sursé, on part pour la pause musicale de la FADA. Et euh, est-ce que vous avez une musique spécifique dont vous voulez qu'on passe Oui, nous avons euh, une musique, la musique syndicale. Le bois, on peut le brûler, le fer, on peut le déformer. Mais que peut-on faire de l'homme avec la douleur Que peut-on faire pour un peuple opprimé Pour sa dignité vendue aux enchères de l'impérialisme se dissiperont. Le jour où la lumière jaillira. 'Yan uwa matasa bayan mun huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu haɗu a fada akan maudu'in mu na wato election du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Nous décortiquons ensemble les causes des crises en fin de mandat. La troisième et dernière partie de notre fada des observateurs avisés de la vie estudiantine cite la manipulation des acteurs politiques comme l'une des causes des crises. Anas Gibril, ancien cadre de l'USN, quelle est votre réaction à ce point Merci bien. Je crois que les acteurs politiques sont dans leur droit hein, à manipuler les dirigeants des scolaires. Ah. Dans toute vie d'une société, un État crée toutes les conditions pour voir une structure susceptible de l'instabiliser dans sa vision, on vous perturbe. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez, qui vous êtes et quelle est la mission qu'on vous a donnée et quel est le résultat que vous cherchez en fonction de ça, vous allez vous laisser manipuler par des acteurs politiques ou pas. Mais sinon, ces politiciens, je vous dis, sont dans leur droit où l'État, des fois, a perturbé. Mais c'est les dirigeants de ces scolaires-là qui doivent tenir tête. Parce que c'est quelque chose qui a tout le temps existé, mais les gens résistent en fonction des contextes et des circonstances. SCP, on parle de manipulation politique. Quel est votre point de vue Mon point de vue par rapport à la manipulation politique est lié surtout à l'incapacité du scolaire nigérien à réfléchir sur comment est-ce qu'il doit se conformer du contexte actuel. Vous prenez aujourd'hui nos textes, si ce n'est pas récemment au congrès des, de où les travaux de la commission texte ont été validés par les sections. La plupart du temps, lors des assises, on rejette toujours les travaux. Or, une organisation qui se dit progressiste ne peut pas quand même rester avec des textes où certains articles sont cadiques et ils ne répondent pas au contexte actuel. Et le politicien profite de cette faille. Et l'autre aspect par rapport au Congrès aussi, c'est que les candidats est obligé de faire le tour de tous les départements si tu veux la confiance des délégués. Parce que ceux qui sont censés te voter sont éparpillés dans des départements. Quelqu'un qui étudie, mais où est-ce qu'il peut trouver de l'argent pour faire le tour du pour rencontrer les sections Et du fait qu'au Congrès, tu n'as même pas accès aux, délégués. C'est là qui votent, tu n'en as pas accès ils ne peuvent même pas t'écouter, écouter ta présentation. Parce qu'en principe, tu n'es pas obligé de faire le tour. C'est au Congrès, normalement, qu'ils doivent eux-mêmes connaître qui est candidat et qui ne l'est pas. Mais malheureusement, au Congrès, ces sections-là n'arrivent pas à être en contact avec les candidats. Donc du coup, sauf ceux qui ont la capacité financière de faire le tour, peuvent le faire. Et entre nous, en toute franchise, où est-ce qu'un scolaire peut trouver de l'argent pour pouvoir faire le tour du Niger et rencontrer les sections et c'est là où les politiciens profitent pour venir pour dire bon écoutez hein, moi je suis capable de vous financer vous faites votre tour mais à condition qu'une fois que vous que vous ayez été consacré j'ai un préalable à vous demander et si tu Rabi veut, réagir hein, sur ce que vous dites en fait moi c'est que nous avons aujourd'hui des syndicalistes cupides des syndicalistes avides et souvent, quelque part, c'est même la base que vous dirigez qui vous oblige à faire certaines, à poser certains actes. Vous prenez par exemple un dirigeant à l'université qui fait partie d'un comité exécutif. La base qu'il a élue, ou bien le groupe qui était avec lui pendant sa campagne électorale, et qu'une fois consacré, la base a toujours cette idée que bon, lui comme il est dirigeant, il a plus de moyens. Donc à chaque fois vous êtes dérangé par cette même, par cette même base qui vous a élu du point de vue financier, quand la personne a un petit problème, elle court vite pour venir vers vous, pour vous dire, telle personne, j'ai besoin de telle chose. Et si vous, vous n'en avez pas, et vous n'avez pas le droit de dire que vous n'avez pas, parce que les, gens supposent que quand vous dites que vous n'avez pas, c'est comme si vous êtes pingre. Donc si par conséquent, eh, vous restez et que vous, dans votre conviction marxiste léniste, sans que vous ayez ne serait-ce que de quoi ça fait le petit besoin de ceux qui vous ont accompagner pendant les élections, ce que soyez-en sûrs, la prochaine fois, ils seront plus avec vous. Parlons sérieusement entre nous. Mm. Au Congrès, nous avons assisté à beaucoup d'achats de conscience. Aujourd'hui, moi, moi, ça me fait mal de voir un étudiant être acheté. Et je me dis, quelle valeur lui, il peut demain incarner. Quelqu'un qui accepte de vendre sa dignité à cause de l'argent, alors qu'on oublie. Notre mission primaire consiste tout simplement à faire en sorte que ceux qui ont porté leur confiance en nous, qui nous ont élus, qu'on puisse être en mesure, du mieux que nous pouvons, de défendre leurs intérêts matériels et moraux. Il y a cette, cette classification, je ne sais pas si le camarade ancien cadre ne le, savait pas, le sait pas. Aujourd'hui, camarade EG, au sein de notre organisation, il y a cette classification pyramidale. Aujourd'hui, ceux qui dirigent, je vous assure, sont considérés comme les bourgeois. Parce que dès que vous les voyez, la manière par laquelle ils s'habillent, ce n'est pas de cette façon que les autres s'habillent. C'est-à-dire qu'ils essaient toujours de se différencier, de se démarquer. Il y a en réalité, parce que nous les avons classés, c'est normal. Il y a cette euh, catégorie qu'on appelle la catégorie bourgeoise. Il y a cette catégorie qu'on appelle la classe moyenne, ceux qui sont proches de ceux qui sont en gestion, ceux pour qui quelque part si quelque chose tombe, on dit bon, prenez. Et il y a nous autres qui sont au niveau de, de, la basse classe, c'est-à-dire les cinq culottes, ceux-là qui, même les retombées, on n'arrive pas à l'avoir. Et on n'est pas obligé de l'avoir parce que nous, Quelque part, je ne dirais pas que nous sommes animés par cette conviction plus que les autres. Mais moi, je pense que quand on accepte d'être révolutionnaire, il y a certains sacrifices qu'il faut consentir. Et nous avons appris pas mal d'histoires sur l'organisation. À l'époque, à est un dirigeant, quand vous achetez une nouvelle chemise, la base va vous chasser. La base vous demandera où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour acheter cette chemise. Aujourd'hui, quand vous êtes dirigeant à l'USN, quand vous êtes sale, c'est cette même base qui va vous insulter. <laughs> Et vous êtes obligé de vous, conformer au contexte. Donc moi, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, il faut amener les gens à comprendre que l'organisation n'est pas une structure dans laquelle on vient pour gagner de l'argent. Non, c'est une organisation dans laquelle on vient pour laisser une histoire. Anas a dirigé le comité directeur il y a de cela dix ans, si je ne me trompe pas. Anas, est-ce que vous restez sur votre position du début de cette question par rapport à la manipulation politique oui, c'est ce que j'ai dit. En fait, dans la vie, vous savez, tout être humain, que tu sois scolaire ou non scolaire, c'est selon ce que tu veux devenir. Ce n'est pas les gens qui feront de toi ce que tu es. C'est à toi de créer les conditions d'être ce que tu vas devenir. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous prenez la manipulation politique, elle peut être à deux niveaux. Les partis politiques qui sont à l'opposition peuvent manipuler les scolaires dans le sens de leurs besoins contre un régime. Mhm. Un régime également peut les exploiter pour les amener à ne même pas se soucier des revendications des scolaires, moyennant quelques miettes qu'on va leur donner en tant que dirigeant. Bon, écoutez, un dirigeant qui accepte de récupérer des miettes au détriment de la mission fondamentale qu'on lui a donnée, entre lui et celui qui ne manipule, qui est le vrai responsable de, de sa vie. C'est effectivement lui. Moi, c'est pour ça que j'ai dit il, faudra, il faudrait d'abord qu'il fasse la lecture, qu'au fait, la petite, petite responsabilité qu'il y a cette responsabilité-là, c'est que tu apprends à partir de cet instant ton avenir à diriger les hommes, ton avenir à t'imposer, ton avenir à te discipliner aussi face aux moyens financiers, ton avenir à, te discipliner face à un pouvoir ou à quoi que ce soit. Donc, que les scolaires comprennent cela, ça va être beaucoup plus facile dans le cadre de la gestion. Merci beaucoup, Anas. Avant de clôturer, chers auditeurs, nous allons d'abord accueillir nos 50% et sa chronique du jour. Amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle chronique dédiée à l'élevage au Niger, l'un des piliers essentiels de l'économie nationale. Comme vous le savez, la semaine dernière, nos réflexions ont porté sur la campagne agricole. Et eh bien aujourd'hui, nous allons explorer la campagne agro-pastorale qui joue un rôle vital dans la vie de nombreux Nigériens. Le Niger, pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, est principalement composé de vastes étendues de terres arides. Malgré ses défis environnementaux, les Nigériens ont développé une riche tradition agro-pastorale qui est devenue le fondement de leur substance. Chaque année, avec l'arrivée des pluies saisonnières, les agriculteurs nigériens préparent leurs champs pour s'aimer une variété de cultures, dont le mil, le sorgho, le maïs et bien d'autres encore. Ces cultures fournissent non seulement de la nourriture pour les familles locales, mais elles sont également une source de revenus cruciale pour de nombreuses communautés. L'élevage occupe également une place centrale dans la vie rurale au Niger. Les troupeaux de bétail, notamment des bovins, les ovins et les caprins, sont élevés dans les pâturages de la région. Les éleveurs notamment parcourent souvent de longues distances à la recherche de pâturages verdoyants pour leurs troupeaux. Cette tradition ancestrale d'élevage est une source vitale de substances pour de nombreuses familles. Cependant, la campagne agropastorale au Niger n'est pas exemptée de défis. Les changements climatiques ont rendu les pluies saisonnières plus imprévisibles, ce qui peut avoir un impact dévastateur sur les cultures et les pâturages. De plus, la croissance démographique entraîne une pression croissante sur les ressources naturelles, ce qui nécessite une gestion durable pour préserver ces écosystèmes fragiles. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite. Merci Ranar Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Anas Gibril, ancien cadre et ancien dirigeant du comité directeur de l'USN. Il y avait aussi Souley Talanta, il est secrétaire chargé à la presse du CD USN actuel récemment élu, et Umar Moussa Rabiu, étudiant en sociologie à l'Université Abdoumouni de Niamey. Tare da su kamar yadda kuka ji mun tattauna akan silolin da ke kawo rikice-rikice a lokutan zaben wakilan kungiyar kwadagon ɗalibai wato ESN kuma kamar yadda suka faɗa akwai dépassement des mandats su bambancin ra'ayi da mahanga tsakanin wakilai sai kuma kasalandar siyasa da ita ma kan iya bullowa wasu lokuta a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma gobe da Allah ya kai mu rai inda za mu sake dawo muku da wannan jigon amma wani fanni daban kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu